je suis contente, très contente, parce que tout au départ, ça n'a pas été facile euh, de commencer la formation, mais j'ai tenu jusque maintenant et j'ai eu mon diplôme. Je suis l'âge n'est pas un frein, c'est le courage et la volonté. On peut apprendre à tout âge. La preuve, euh, j'ai plus de 50 ans, mais j'ai étudié parmi mes filles. Euh, parmi mes filles, euh, les élèves là sont mes filles, les professeurs ont l'âge de mes filles. Donc, je n'ai pas de complexe d'apprendre. Donc, je demande vraiment à toutes les femmes d'apprendre, s'ils ont la possibilité d'apprendre. Il n'y a pas d'âge à ça. Aujourd'hui, je suis trop fière. Je vois mes enfants, euh, mes petits-enfants, mais je suis trop fière d'avoir ce diplôme à cet âge. Donc, l'âge n'est pas un frein. Deux ans de formation, on metti na trop maa lu ne la ñuy daj lu ne lu ne sonn nañu mais yàlla def na tey mu ngi nii bu ñu amee suñ diplôme alhamdulilah école bi neex na neexul parce que amul benn métier boo xamante ne que dafa dafa dafa lii nu mu tudd tamit nii dafa yomb quoi métier yëpp a metti mais da ngay am ful la fayda sa bopp nga nga xam nga nga ne yow lii nga bëgg da ngay rey sa bopp dem ci ba mu jeex sonn nañu trop maa lu ne la ñuy daj. mais il dafa bëgg ñu réussir est que borom école il faut que veiller élèves ngay nga leen di tu vois pour ñu avancer. une certaine satisfaction hein, parce que on est à notre euh, à nos douzième et e promotion donc quand même on a un certain vécu voilà maintenant il faut essayer de de se parfaire en tout cas se rapprocher de la perfection de plus en plus. la mode, d'une manière générale, euh, au Sénégal, ce n'est pas tellement pris au sérieux, il faut le dire. Hein. Alors que tous les jours, chaque individu utilise au moins un produit de mode. On est obligé de nous habiller tous les jours, quelle que soit la situation. Donc, on devrait avoir euh, plus de considération pour la mode, mais je pense que ce sont les acteurs de la mode eux-mêmes qui doivent commencer par euh, exiger qu'on les prenne au sérieux. Voilà.